génnee leen taw ñu taay ñoo ngi nii Sénégal. tooñ lan bu yaroo mën ko deux bu réewee nag mën ko quatre. 3-0 3-0 ñun dawuñu loolu ñun booy si ne lañ dawuñu loolu. Gracias. ñëwoon fii jàppale si leen ah bu ñu amee 2-0 rek jël waaw kontaan rek waaw waaw. waa neex rek ay seen neex la rek kase ñu muñ rek ñu door leen ñu ñibbi ndànk non violence non violence rek <laughs> jaajëf waay. victoire laa indi bu leer nañ waaw parce que sama boy dañoo namoon final te incha allahu rabi dañ ko jël ci kaw Cité te jarul coow dañ ko joué ci kaw fair play ci jàmm parce que Cité suñuy doomu ndey lañ ñun doo bokk fenn fu ñu dëkk yaraax dañ ko joué ci cadre fair play ku gañ jël incha allah yàlla yàlla def jàmm man dinaa ko fëgg ñaar ñaar yu taw sëkk ñu waaw ñaar yu gaaw premier mi-temps dans 15 minutes ma lakk benn bu ñu yéexaltale ma lakkaat benn mat si bi jeex. bi dama koy yanuwaat yóbbu ko Cité. parce que a Babacar si dama koy yóbbu. da xaar yow ci boobu yow da xaar doo dërëm da sóob. daan bàyyi ngeew du bële ñu waaw eh, day takk jóg kii day takk jóg te dañuy takk toogo waaw kii day lugur lugur day lugur lugur. ñun kuy lugur lugur duñu gañe d'accord ñun kuy lugur lugur duñu jaaxal yow da ngay takk jóg Galena largement euh, voilà ma jox ki nga xam ni ñoo sérieusement ambiance bi ko gis on s'est très bien préparé franchement on s'est très bien préparé physiquement techniquement tactiquement mentalement et tout non non franchement non non non non joueur dirigeant ñëpp dans de très bonnes conditions franchement waaye alhamdoulillah quoi sant yalla bu baax waaw lu yalla and rek mo neex ak suñu suñu ñetti set xam ñun moom non nañ sax la yàgg na tëj buntu yeb yàgg ko neex la ah suñu mbokk lañu nañu ñew rek ñu football ko dans le fair play après ñu ba ñun ñu gagné leen rek yalla dimbali ñu yóbbuwaat coupe bi délo ko fa ñu ko jëlee woon. final mom fait la man tay suma amone benen beneen moy bu ic neex la lay doon parce que man fa lay fréquenté sama meilleur ami scolaire fa la nekkoon donc dam leen di souhaiter bonne chance mais nak lu gaay di wax ku nekk da ngay xëc jëmale sa boor. Yalla nañu ndam bi ñëw ci ñun. fair play en ah, fair play que le meilleur gagne inshallah on sait qu'aujourd'hui ndam bi dañ ko ñu def inshallah non pare nañ fépp ci terrain bi entraîné nañ bu baax adversaire physiquement mentalement yépp dañ ñoo gagné premier match mané boy booy day dem final inshallah wa waaw liggéey ci lolu liggéey ci esprit combatif esprit de jeu xam la fair play ñëw am ay adversaire yu métti sax jaar si ba jall adversaire bi moom xam naa ko gis naa ko te yaakaar naa li ma yor mën na ko éliminer. up, up, up. Voilà, c'est parti. Constitution, c'est parti. Voilà. Et que c'est parti. Voilà, c'est fait. Balle de la tête. Bien joué. Ah, de la poitrine. Bien joué là. Ah, qui arrive à se dégager. Coup d'un coup avec le numéro du moment. Et voilà, que c'est par numéro du centre de jeu. Pour l'ASC Erdek euh, et droite, c'est bon. Coup d'un coup avec le numéro 10 qui perd ses balles. Et que cette balle va mourir, voilà. Il est qui perd ses balles, qui, va. Bien joué, jeune homme. Bien joué. Attention, qui va centrer de Il a fallu marquer contre son camp Ouais, ouais, il a fallu marquer contre son camp. Le numéro a du Balaka, 6 au centre, attention. Euh, la est en train de, de sa loi. Est capable de tuer par le par les doigts de la Bien joué, jeune homme, bien joué. Qui se perd si c'est terrible Attention danger. Le numéro qui a... Voilà, je...

Fagnon de Yara. En tout cas, vous l'avez dit, euh, Yara regroupe le dernier sportif, les producteurs de nom. Ça mérite des applaudissements, le roi de hein. L'année dernière, l'année ah. dernière, ils ont. la partie. Ça joue bien du quota, bien sûr cité. Bien sûr, Khalei cité, attention, le travail sur vis-à-vis. Des antichats qui arrivent à passer, à ah, bien joué là. Ah, bonne pénétration qui va s'entraîner, le gardien. En tout cas, je constate, euh, il a une certaine fébrilité. Bien yeux cités, les yeux Khalid cités. Ah, c'est vrai. Et capable le numéro 10. Allez, allez, attention. Ah, une des offensives de la SNR. Voilà, attention. Bien joué, jeune homme. Bien joué. Bien joué, qui va pouvoir s'entrer. Voilà. Et euh, voilà, hors du champ des Voilà, c'est parti. Il balance cette balle. Attention. Attention. Et que reprise acrobatique mal, euh, mal assistée, que le gardien s'en empare. Le gardien de but de bien joué. à qui écarte à droite, c'est fait. Bien joué, oh, la talonnade mal faite. Et que la pression devient de plus en plus forte. Et qui balance cette balle et que le numéro bien placé. C'est vrai, avec sa lecture euh, très sombre qui arrive à se dégager. Et qu'attention, qui va. Oh, bien joué là, bien joué Jérôme, bien joué. Et que voilà, qui perd ses balles. Et que lui, bataille dans l'entre-jeu, c'est vrai. Et que la bataille du milieu de terrain devient de plus en plus lourde. au autant pour moi. Très bien engagé ce soir les équipes. Et que voilà, toujours 0 8 partout. Balle bien jouée pour Nerley, le triangle est ainsi formé. Oh, bien joué Jérôme. Bien joué la poitrine qui est à droite, c'est fait. Il va pour les centrer. Ah, qui travaille sur le visage. Ah, bien joué là. Bien joué là. Oh, bien joué. La remise. Ah, qui travaille sur vis-à-vis, c'est fait. Et voilà, il se heurte à ses défenseurs. Il est très bon. Le dernier défenseur arrive à se dégager. Et que balle peut-être pour. Ah, bon. Oh, oh, oh. Bien joué là. Ah, maintenant, on mais nous sommes là. Nous sommes là pour la fête. Tech de Douaté. François C'est Salif Gaï. Ah, voilà. Avec neuf, avec 9 avec Salif Gaï. Il a pu remporter la Coupe d'Afrique des clubs. Ah, C'était dangereux. Et que le soir, la défense va au grain. Et qu'au coup d'un coup avec, euh, en tout cas, la défense a dû La défense n'est pas ce moment extrêmement difficile ce soir. Ah, oh, bien sûr, là. Il est bon, il est bon ce numéro 10. Il est très bon ce numéro 10. Les antichats. Une bataille dans l'entrejeu. Et que voilà,

Voilà. voulez, vous les ouais ah ben. Et attention, c'est pas de compte. Et le gardien, il arrive à se dégager. joue à la joue, hein, voilà. Ah, à touche, ouais. En touche. Mais La ville qui a Voilà, de Voilà, Et éléments de a ainsi de le dégager mais et retrouvé par euh, la défense perdue que à cette éclair sont partis. Donc, il va favoriser perdu retrouvé par la défense jusqu'à le grand central. a Cité il nous laisse de bon fil, ça fait une passe, une passe, et la défense. Allez, c'est autant pour moi. Et euh, oh, on va dégager Corneille.

非常好。 Voilà. Adjoint au maire, toujours adjoint au Troisième adjoint au maire de la commune de Andelène. Madame Altine Sow. Voilà, sur vos applaudissements. C'est un plaisir de le voir évoluer. Donc, euh, c'est nous. C'est Elhaj Ibrahim. C'est deux anciens gardiens de but. Hein? Ouais, <laughs> ouais. voilà. voilà, Mara Diko Donc, deux anciens gardiens de but.

championnat populaire bi ñu tuddé ko championnat naytan yalla dafa dogal nak man demi finale mom moom fekk damaa xawoon tukki dama tukki won ba demi finale ci lay soog ñew mais quand même ni ma ko y a une grande amélioration ndax euh, suñu soo ma mayoon tuuti rek ma compter le nombre de matchs yi nga xamante zone bi organisé na ko te gissuñu fi ben xeex lolu mom moy première réussite on a totalement éradiqué la violence loolu moom ma gën a neex ci mbir mi euh, si loolu nag dama ciy sant di ci gërëm tous les membres du comité directeur de la zone vraiment ay jàmbaar lañu ay xale lañu ay ndaw lañu mais ay jàmbaar lañu. dañuy jànkoonte ay jafe-jafe ndax bo xolé ñun yarax lañ dëkk mais malheureusement dañu am problème terrain de football donc ñuy joggé yarax di ñëw de Pikine lool rek ça pose problème euh la lañuy football, on joue la nuit souvent on joue la nuit donc football fubal da fay xaw metti te mouvement bi li ko polariser ay ndaw lañu donc loolu ay jafé jafé yu metti la muy problème infrastructure. bo xolé ñi football fi terrain yépp

man fi ma tok vraiment sama xol dafa dafa trop vraiment ci match vétéran yi di le maire de la commune d'arrondissement de Hann encore une fois mom final bi muy tundum, final bi amul amuñu répondant donc tout la final dafa metti euh, pour la pour la jeunesse jeunes, jeunesse cette population jeune jeunesse di organiser lu fête bu Il y yow appelé Nous sa téléphone sax personne morale ba doy la appel bi rek autorité yi ñu encore ces Nous ndaw lim parce que du ma man du wax luy que luy autorité yi su xam nañ seen bopp nañu gëstuwaat nous ndaw parce que lii def pour la pour jeunesse la pour population de manière générale donc je lance un appel à toutes les autorités ñu gën a jàppale seeni ndaw je lance un appel à toutes les populations de Dalifort et de euh, Hann que nawetaan foog rek kese la sport bu mënatul boole mënatul dajale mënatul dajale xol yi sport amatu fa donc l'on laay euh, di di ñaan yàlla lii ñu lii ñu dëgmal nii mu pendant des années xeex bañ fi am xuloo bañ fi am. Alors, on va dire que la été aussi professionnel en Allemagne. On voudrait qu'il a marqué les, les, clubs traditionnels. Voilà, donc euh, je me rappelle de son but, de ce fameux but qu'il marqua en 1940 contre la SC Donc, Pape Jean tué vraiment, okay. bien honoré aujourd'hui. Alors, qui va venir Parce que, euh, euh, à partir de maintenant, la zone va honorer chaque année un ancien footballeur. Alors, qui vient d'ici, mon Pape Diouf c'est le meilleur encadreur de football qui nañu qui a fii ay 16 jours am ñoo de thérapie. et c'est très important merci. voilà donc euh, euh, toujours présente. Ouais. vraiment. on a les enfants de Henri du Nord. voilà. aywa. trophée remis par le président de la zone 7A. sous le regard. la police nationale. Agile Angom. La police nationale. Agile Angom ou bien son représentant. Voilà, qui fait notre fierté. Agile Angom. Ah, c'est bon. La police. Président de la police. Voilà. Donc, merci. de nak, parce que va remettre

au protocole c'est eux les pionniers du mouvement Noble, ñoom président de l'ADECAF de Pékin, plus le nom de Ouais, vous Connect à travers ma voix. Voilà, non officiel muy Abdoulaye Cissé di président CQFP bu Badeka bu Dakar même tournoi bi Sénégal jël UV tey mu amoon Mali. mu am ci tawoon tey moom la moom moo moom moo moom la da koy jox li nga xamante ne mooy diplôme d'honneur Abdoulaye Cissé. le président Abdoulaye Cissé kon kon. waay waay moom léegi c'est vraiment. beneen niveau la beneen niveau la léegi. moo ngi expert à la CAF à la CAF léegi. artificielle. le grand jour pour renverser la vapeur. Après avoir été mené par un 8 à zéro, ils ont puisé dans le ressource pour revenir le soir et gagner ce match. Donc merci. Merci aux dirigeants de cette zone, cette grande ce Sénat. Merci à M. le maire Marc Merci au maire de Galiport. Merci à l'honorable député de l'État

Yeah. <laughs>